le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'émission qui réunit des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser les faits marquants de l'actualité de la semaine écoulée. Au menu du forum de la presse de ce soir, d'abord de la politique. Les partis politiques continuent d'investir leurs candidats aux échéances électorales prochaines ce week-end passé, deux candidats ont été investis. Il s'agit de Alma Oumourou, président du parti Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla, et de Salou Jubo, président du parti Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Ensuite, nous discuterons de la libération mardi dernier des trois acteurs de la société civile, Moudi Moussa, Michael Zodi et Halidou Munkela incarcérés depuis six mois dans les prisons de Tilaberi. Enfin, nous terminerons avec le projet de la construction prochaine d'une ligne ferroviaire qui reliera le Nigeria au Niger via Maradi. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons invité nos confrères. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir. Bonsoir. El Suleyman Suleiman Mahamadou, journaliste du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Hajj Suleiman. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 2 octobre 2020 que nous ouvrons par un sujet politique avec notamment la série d'investitures des candidats aux différentes échéances électorales prochaines au Niger. Parlons des dernières investitures en date. Il s'agit de celle de Salou Gobi, journaliste écrivain investi samedi passé à l'élection présidentielle 2021 au titre du parti Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Une autre investiture a eu lieu le lendemain et concernait ce dernier a été investi candidat aux échéances électorales prochaines pour le parti RPP Farella, Rassemblement pour la paix et le progrès. De nouveaux candidats qui viennent s'ajouter aux prétendants à la magistrature suprême du Niger. Alors, après l'investiture de Albadi Abouba, candidat du MPR Jamhouria, au présidentiel 2020-2021, c'est maintenant au tour de Alma Oumoru d'être déclaré candidat au titre du RPP Frela. Tous les deux sont membres de la MRN. Peut-on penser qu'il y aura un malaise au sein de la MRN La mouvance pour la renaissance du Niger. Je commence par vous, Hassan Boukar. Bonsoir, merci. Ah, je pense que euh, l'idéal qui était recherché au sein de cette mouvance, était d'avoir un candidat unique. Je pense que c'est déjà perdu, puisqu'il y a plusieurs candidatures qui se sont déjà annoncées. Mhm. Donc, euh, je pense que chacun veut jouer sa chance. Euh, peut-être qu'ils vont se retrouver par la suite en cas de second tour. C'est possible s'ils partagent encore un idéal, s'ils veulent encore se mettre ensemble pour gouverner. Donc, je ne sais pas, est-ce il y aura un malaise, je n'en sais rien, mais mhm. euh, je pense que l'idéal pour la mouvance, comme pour l'opposition d'ailleurs, c'est d'avoir un, candidat unique autour duquel on s'est mobilisé. Mais dès lors qu'il y a plusieurs formations politiques, les gens ne poursuivent pas nécessairement les mêmes ambitions. Chacun veut mesurer ses forces, aller demander le suffrage euh, des électeurs. Euh, mesurer véritablement sa force avant d'aller éventuellement vers une coalition par la suite en cas par exemple de second tour. Donc mhm pour moi, bon, chacun a ses intérêts et chacun essaie de faire prévaloir ses intérêts. Donc, ce qui est tout à fait logique. Monsieur Garé Amadou, pensez-vous qu'il y aura un malaise au sein de la MRN non, enfin, je ne sais pas, comme l'a dit Hassan je ne sais pas, hein, il, se, peut c'est sûr que, eh, comme il l'a dit, l'idéal serait que la, MRN ait un seul candidat. Et c'est sûr que la situation actuelle ne peut pas être comparée à la situation précédente où la MRN était pratiquement un bloc soudé à partir du moment où les ambitions commencent à s'exprimer, mhm. c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va, qui va, qui va. En tout cas, il y aura un petit effritement. Maintenant, il faut faire la nuance entre, entre les, les candidats investis et ceux qui seront effectivement dans la course, c'est-à-dire ceux qui vont partir payer les 25 millions et mhm. déposer leur dossier au niveau de la Cour conventionnelle. Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez mhm. Il se peut qu'à l'arrivée, il se peut que c'est une stratégie de la MRN pour que les leaders puissent mobiliser les militants. Mais eh bien, le jour où on va déposer les, dossiers de, candidature, il se peut que certains vont sortir pour dire que finalement, ils désistent pour tel candidat. C'est possible. Tout est possible. Parce que pour le moment, ce sont des gens investis par leur parti. Mais entre l'investiture du parti et parti déposer les 25 millions et le dossier, c'est vraiment. Il y, a, le. Comment on appelle ça là Il y a vraiment toute une mer entre les deux. Donc, pour le moment, je crois qu'il y a des ambitions, mais il est sûr, il est certain que au niveau de la MRN, eh, quoi qu'on dise, il y a une situation de, en tout cas, de, même si c'est un petit malaise, il y a une situation de malaise quand même, mhm. de voir qu'il y a des candidatures un peu partout qui, qui, s'affirment. Certaines candidatures sont des candidatures pratiquement, eh, je sais ce que j'appelle une candidature de coépouse, c'est-à-dire entre Albadé et Alma. C'est-à-dire que a été candidat, euh, candidat, donc moi aussi je vais être candidat. Mhm. Bon, il y a une sorte de. Vous voyez, les querelles entre coépouses, c'est-à-dire qui, qui, sont là. Donc, parfois, ce n'est pas des candidatures en tant que telles. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne serais pas étonné qu'au dernier moment, que parmi les candidatures, euh, les, candidats investis par leur parti, beaucoup puissent désister pour un candidat ou pour un autre, en tout cas, euh, qui est dans la course. Mhm. Les est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire euh, M. Garé et Hassan Boukar euh, Bien sûr, euh, je pense que on peut tout de suite faire observer que Albadi Abouba en 2016 il n'était pas candidat euh, cette fois-ci. Il a décidé d'être candidat. Mhm. Alma Umoru, je pense que la candidature de Alma euh, dans à mon humble avis, pourrait plutôt euh, se être ressentie comme un danger pour Mohamed Ousmane. Il pourrait justement grignoter dans son électorat. Mhm. Il est natif des Andes. donc, je constate quand même au sein de la MRN, en tout cas, il y a beaucoup de partis. Quand tu prends Kassou Cheikh Amadou Salah euh, de Amadou Salifou, mhm. euh, n'est-ce pas Donc, euh, ceux-là ont choisi véritablement le PNA à donc d'accompagner le candidat du PNDS maintenant. Comme l'a dit Garé, je suis sûr que pour le moment, tout mhm. est possible les gens, que ce soit al ou bien al ou mhm. quelqu'un, en tout cas, peut à observer qu'il y a en fait en politique les vraies alliances. Euh, et je pense que, dans, en tout cas, j'ai l'habitude d'entendre euh, les leaders politiques, euh, en tout cas, habituellement, au premier tour, en tout cas, chacun va sa, sa chance. Mhm. On peut même prévoir des alliances en, ce moment, par exemple, au niveau de l'opposition. Euh, mais les vraies alliances vont se tisser au second tour s'il y a un second tour. Parce qu'on a vu justement comment les gens peuvent, selon leur calcul, parce que nous sommes sur le terrain politique, où vraiment c'est des intérêts politiques. Mm-hmm c'est pas pour tes beaux yeux que je vais te suivre quand je vois que tu es perdant. Donc, euh, moi, je pense que pour le moment, il n'y a rien de mal. C'est tout à fait euh, normal que les gens soient candidats. Je pense qu'on crée un parti politique pour conquérir ou bien conserver le pouvoir lorsqu'on le détient. Donc, euh, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense que c'est une marche normale. Mais encore une fois, tout est possible d'ici l'annonce vraiment des de, candidatures officielles. Beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, euh, un autre candidat investi, c'est le journaliste et écrivain Salou Gobi. Il est investi candidat aux prochaines élections présidentielles au titre euh, du parti Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Quelle lecture faites-vous de cette candidature de ce tome de médias euh, moi, je salue le courage de notre confrère. Euh, il est notre aîné. Il faut l'encourager. Ça, c'est la solidarité vraiment entre confrères. Mhm. Euh, mais de là, moi, ma lecture de cette création, j'allais dire, excusez-moi, anarchique des partis politiques, Salou Gobe, il est issu d'un parti politique à la CDS. Il a joué un rôle important avec souvent comme docteur de cabinet, comme ministre. Euh, je pense que véritablement, on peut faire la politique euh, dans des euh, formations politiques vraiment assez consistantes. C'est-à-dire qu'ici, vu ses qualités, quelqu'un, mm-hmm. vous l'avez dit, c'est un écrivain, au regard de ses qualités, il peut se faire prévaloir, en tout cas s'imposer, en tout cas vraiment trouver ce qu'il cherche. Mm-hmm. Mais franchement, pendant quand tu fais un un truc que je veux faire valoir euh, de mon point de vue, euh, c'est vraiment quand je vois il faut par exemple euh, débourser 25 millions, moi à sa place, je vais renforcer mon média en tout cas avec 25 millions. parce que vraiment, je <laughs> pense que c'est. Bon, vous savez, en fait, vraiment, chacun voit les choses à sa façon. Mais moi, je, de façon générale, je constate que vraiment, il y a une euh, floraison des partis politiques. Euh, je pense que c'est un peu trop. Il va falloir mettre de l'ordre. Il va falloir respecter la charte des partis politiques. Vous voyez, aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup de partis politiques qui sont en train de faire leur, congrès en retard vraiment. Mhm. Et il y a beaucoup qui ne sont pas vraiment à jour. Et le ministère de l'Intérieur je ne sais pas pour quelle raison, n'arrive pas à sonner la, la, sonnette d'alarme. Je pense qu'il va falloir vraiment euh, qu'on se dise que non, franchement, euh, aujourd'hui, à 147 partis politiques, est-ce que vraiment pour ce Niger-là, on a besoin vraiment de tous ces partis pour, pour, vraiment. Euh, au contraire, moi, j'ai dit que ces partis-là, en tout cas, ont une responsabilité dans la gouvernance. Parce que pour une question d'alliance, tu es allié. Quand on veut prendre une décision pour l'intérêt général, tu vois que tu vas quitter l'alliance, euh, vous voyez. Donc moi, je pense qu'il va falloir franchement par mm. euh, revoir cette copie. Monsieur Garé, quelle lecture faites-vous de la candidature de Salou Gobi oui, en, tout cas, bon, un confrère qui se, euh, qui se lance dans la course à l'élection présidentielle, moi je le dis, euh, bonne chance. Mm. Euh, cela dit, <laughs> il faut bien reconnaître que c'est cette candidature de Salou Gobi, je ne voudrais pas être méchant, mais ça fait partie des candidatures assez anecdotiques. Mm-hmm. Pourquoi je les appelle candidatures anecdotiques C'est-à-dire c'est le lot de personnes qui ne vont pas faire 1%. Est-ce que vous comprenez mm-hmm. Et, le problème de Salou Gobi, excusez-moi, mais <laughs> je suis obligé d'être, puisqu'on fait de la critique politique, Salou n'a jamais été député, je pense. Je ne sais pas. Il était à la CDS, mais il n'a jamais été député. Euh, est-ce qu'il a un fief Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut au moins avoir un fief reconnu. Mhm. Et, donc, <laughs> c'est compliqué, vous comprenez Ou au moins avoir des soutiens avec soi. Même si on n'a pas de fief avoir des gens, des personnalités de poids qui vous soutiennent. Je ne sais pas qui est qui est membre de son parti. Je ne les connais pas. J'étais pas. C'est vrai, il m'a invité à, à, en tout cas, au congrès de son parti. malheureusement, j'étais un peu débordé, j'ai pas pu venir. Mais franchement, euh, je considère que c'est jeter 25 millions par la fenêtre. Mais Peut-être qu'il a ses réflexions. Non, mais entre nous, 25 millions pour juste partir faire de la figuration, je trouve que quand même, pour, pour mettre toutes ces économies, je sais pas, vendre une maison et puis venir mettre ça dans une campagne, faire 0,0 et quelques pourcents, <laughs> à quoi, à quoi ça sert Mais les politiciens, vous savez, c'est des calculateurs. Il se peut que euh, son calcul, c'est que, bon, euh, quand on va arriver au deuxième tour, il fera partie des lots de des partis politiques qui vont soutenir celui qui vont considérer comme celui qui a le plus de chances de gagner. Mmh. Et quand celui-là va gagner, malheureusement, on va retomber dans les mêmes travers du partage. Vous comprenez Et peut-être qu'il va tirer son épingle du jeu, président d'une institution, etc. etc. Peut-être c'est ça le calcul. Parce que dans un pays où il y a 21 millions d'habitants, se retrouver, comme l'a dit Suleiman, avec 147 partis politiques, mhm. mais je me dis à quelle fin Ça sert à quoi Ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste à faire en sorte que eh, les gens puissent parvenir, en tout cas, à, accomplir leur ambition, n'est-ce pas Ou à parvenir à des, à des, à des, en tout cas à des, à des échelons de la vie. Mhm. Pour moi, c'est comme ça. C'est pas Salou que que je, c'est-à-dire c'est la plupart des partis politiques, 147, et parmi les 147, ceux mêmes qui vont se présenter aux élections, ils se comptent sous les bouts de doigts. On le voit avec les cafouillages qu'on a actuellement, même pour faire des listes. Les gens qui ne sont même pas préparés. Mhm. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, euh, mais la candidature de Salou Gobi, vraiment, je lui souhaite bonne chance. Même si, au fond de moi, je sais qu'il ne fera que de la figuration. Certains vont me trouver méchant, mais <laughs> disons les choses en face. Je reviens vers vous, Hassan Mboukara. Qu'en pensez vous de tous ces candidats dont on vient de parler, notamment de leur chance de faire de bons scores aux échéances électorales 2020-2021 Merci beaucoup. C'est vrai que l'électorat nous a quand même habitués toujours à soutenir les, les grandes formations politiques. Un parti qui naît tout de suite, en deux, trois mois, elle ne peut pas de se gagner les élections, c'est un, peu, un peu compliqué. Maintenant, évidemment, les gens ont le droit de créer leur parti politique. Euh, qu'est-ce qu'ils vont peser C'est le jeu électoral qui va finir par le dire. Moi, ce qui me dérange, c'est que euh, la vie politique ne s'arrête pas aux élections. Les élections, c'est une étape importante. C'est que certains partis ont du mal à exister entre deux élections. Ils sont totalement absents. Ils ne contribuent pas à animer le débat politique. Ils sont presque absents de l'espace public. Et donc, c'est comme si tu créais les partis juste pour des élections. C'est l'impression que j'ai. C'est vraiment ça qui me dérange. Sinon, je pense que pour le reste, chacun est libre. Là, ils ont parlé du cas de Salou Gobi. Je pense que ce n'est pas le journaliste. Pour moi, c'est surtout l'homme politique hein, qui, qui vient. même s'il n'a pas, n'a pas totalement rompu avec les milieux des médias, c'est quand même l'homme politique. Il a déjà une expérience. Euh, il a terminé, cest à animé la campagne d'un candidat aux élections présidentielles. Le fait que cette fois-ci, il fasse une expérience de cette mhm. nature, montre peut-être qu'il a des échecs dans ce qu'il a essayé avant. Il s'est retrouvé dans une formation, peut-être qu'il a du mal à faire passer ses idées. Mm-hmm. Il a une ambition qui ne peut pas s'exprimer dans les cadres qu'il a connus, et donc il préfère s'engager dans une autre expérience en prenant le devant lui-même, en se positionnant comme candidat. Il a peut-être ses raisons. Mm-hmm. Je pense que c'est quelqu'un qui contribue. Euh, l'écrivain, on l'a dit, il a sans doute une ambition donc, à travers ces élections, il aura peut-être au moins l'occasion de participer à un débat, puisque euh, la période des élections permet aussi de poser un débat sur la vie nationale, sur les questions d'intérêt, les questions d'enjeu. Il sera à ce rendez-vous-là. Je pense que c'est quelque chose déjà intéressant. Mais encore une fois, pour moi, oui, euh, si on a tous ces partis, on finit par se dire, mais est-ce qu'il y a 147 projets de société On peut se poser la question. Du coup, mm-hmm. est-ce que ça traduit euh, l'incapacité pour les gens de se réunir, de s'entendre sur la base, c'est une base minimale, et de dire, OK, au lieu d'avoir 10-15 parties, euh, mettons-nous ensemble, faisons une seule formation qui sera peut-être euh, plus importante, avec plus d'envergure, etc. C'est peut-être ça que ça traduit, mais en tout cas, ça suscite beaucoup d'interrogations. Mais encore une fois, pour moi, ceux qui n'ont pas la chance d'être dans le camp des vainqueurs, un parti, normalement, est battu autour des idées. Il faut bien que ce parti existe entre deux élections. Il faut qu'il anime la vie publique, qu'il montre il mérite d'exister. Et je pense que ce qui me dérange, moi, c'est un peu le manque de ça. Restons toujours euh, dans ce chapitre euh, des partis politiques euh, pour évoquer cette fois-ci du climat, du régime donc du, du climat qui règne autant pour moi au sein du parti moderne FA Lumana. Le bureau politique ayant saisi la justice sur l'affaire qui l'oppose à Noma Umoru et à gain de cause. En effet, la justice interdit à Noma Umoru d'agir au nom du parti Modern FA Lumana. Monsieur Garé, cette nouvelle situation vous a-t-elle surpris Bon, vous savez, c'est un feuilleton, Lumana. les gens disent que c'est la saison 2. Oui, la saison 1 est finie, c'est la saison 2. Mais là où cette saison-là risque d'être extrêmement compliquée, c'est que c'est à quelques mois des élections. Et maintenant, on est dans une période de constitution de dossiers. Alors, et j'ai cru comprendre que Noma va faire appel. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Alors, quels sont les dossiers qui vont être acceptés au niveau, euh, n'est-ce pas, des, des, mairies, etc., etc., pour les élections locales Je ne parle même pas de législative, etc., etc., la présidentielle, puisque il y a un imbroglio politico-judiciaire au niveau de l'Umana qui, pour moi, est assez inquiétant pour cette formation politique. les gens ont beau vous raconter, non, non, c'est réglé, c'est fini. La Non, non, non, c'est pas réglé. La preuve, Noma a dit qu'il va faire appel. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et certainement que Noma ne va pas se laisser enterrer vivant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Voilà quelqu'un qui a été président par intérim du qui était d'abord le président fondateur, parce que c'était son nom du parti. Et ce monsieur-là, par la suite, a été président par intérim. On ne l'a jamais proposé comme DG. On ne l'a jamais proposé comme ministre. On ne l'a jamais proposé sur les listes pour être député. Ce monsieur-là s'est tenu tranquillement. Il était assis. On ne l'a jamais nommé même conseiller quelque part. Il était tout le temps au bureau politique. Alors un bon matin, parce que tout simplement il y avait des problèmes au niveau de la section de Niamey, on décide que non, non, il faut que lui règle son compte. On va le dégager comme, comme un malpropre et puis on va le jeter dans la poubelle. Il a dit non. Et donc, aujourd'hui, Noma est dans une posture où, pour moi, je considère que eh, cette affaire n'est pas réglée parce que je pense que ne va pas se laisser briser comme ça. Bien sûr, quand il va mhm. perdre toutes les procédures, enfin tous les recours, il sera obligé de se plier à la dernière décision de justice. Mhm. Mais je pense que cette crise à Lumana est une crise assez désastreuse pour le parti. Et je l'ai dit, c'est une crise qui est source de péril. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Niamey, quand même, c'est le, fief de Modène Lumana. Mhm. Aujourd'hui, si on arrive à partir aux élections sans le Modène Lumana, empêtré dans sa crise, Dieu seul sait à quoi ça peut déboucher. Oui, mais M. Garé, une euh, victoire inattendue ou attendue pour euh, Hamamadou, qui a d'ailleurs été investi euh, candidat aux élections présidentielles prochaines. Oui, mais ça, c'était de, c'est la tombola, vous comprenez mm. C'est-à-dire, c'est un coup de poker, mais, mais ça m'étonnerait que ce coup de poker-là soit gagnant. Pour une raison très simple. Vous savez, quand ils sont partis à Dosso pour le congrès, je parle du camp de Hamamadou, déjà la veille, la, la, lettre qui convoque les assises de Dosso, ce n'était pas le SG qui a signé cette lettre-là. Pour une raison très simple, le SG a été suspendu par Noma. C'est le SGA, qui n'était même pas à Niamey, qui, selon certaines informations, était à Bijan, qui a fait, je ne sais pas par quelle magie, il s'est téléporté pour venir pour signer et puis reparti. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il a signé et il a convoqué les assises de Dosso. Et quand on est parti à Dosso, la logique si Hamma n'a pas d'ennui en tout cas euh, judiciaire, la logique aurait voulu qu'au niveau du congrès qui s'est déroulé au niveau du gouvernorat, qu'on investisse, en tout cas qu'on désigne Hamma comme président du Modène Lumana. Mais non, on ne l'a pas fait. On a désigné Parc 20 comme président de Lumana. Pourquoi Parce que les cadres du parti, ce sont des gens intelligents. et savent que, au vu de la peine de prison que Hamma Amadou a prigée, n'est-ce pas On lui a gracié les deux, les, deux mois restants, il a fait huit mois. C'est compliqué pour lui de diriger un parti politique. Et étant donné que c'est une sorte de boulet qu'il traîne, par ricochet, c'est très difficile pour Hamma que sa candidature soit validée. Mais par, par fierté, on a voulu, pour ne pas démobiliser le militant, faire semblant que ça va marcher. Mais ils savent que c'est pas vrai. Et le problème aujourd'hui, excuse-moi de finir, le problème, c'est qu'au niveau de la section de Niamey, même, il y a un problème aujourd'hui. Donc, euh, Monsieur M. c'est s'est passé, n'était pas vraiment une victoire pour Hamamadou. Ah non, c'est une, une, victoire en trompe-l'œil. Mm. C'est-à-dire, il faut, euh, comme c'est appelé une victoire en trompe mm. cest c'est-à-dire un faux semblant. C'est-à-dire, il faut mm. montrer une image, mais ce c'est pas la réalité en réalité. Vous comprenez Il faut faire semblant que tout va bien, mais Hamas sait que ça va pas. Il mm-hmm. sait que c'est compliqué. C'est pourquoi, justement, les menaces qu'il faisait là. Mais maintenant, ce que je voulais dire, au niveau de la section de Niamey, il faut préparer les listes pour les législatives. Et selon ce que j'ai compris, Ham veut être dans la liste des législatives. Et il y a une disposition de la loi qui dit que s'il y a un problème sur un dossier, toute la liste tombe. Et vous pensez que l'Umana va prendre le risque de mettre le nom de Hama tout en sachant qu'Hama a été condamné à un an de prison, prendre le risque de mettre son nom sur la liste de la, de la députation et perdre le pour, pour Lumana, c'est vraiment et actuellement, il y a. Monsieur Il y le temps de <laughs> revenir <laughs> vers vous. Donc, euh, je passe vers euh, euh, Suleiman. Monsieur Suleiman, faut-il s'attendre à une nouvelle donne dans ce dossier en cas d'appel de la décision de la justice par Moro D'abord, je dois dire pour notre information que j'ai dit à Gary que je viens de dire le. sujet de communication de l'Oumana El Hamadou a fait un démenti pour dire que Hamma n'était même pas candidat, euh, il n'est pas prévu qu'il soit candidat pour le législative. Il, va, il a précisé que sera seulement candidat et il a déposé sa candidature en bonne et, due forme. Donc ça, c'est la, la, précision. Euh, maintenant, par rapport à la situation de, de Lumana, euh, effectivement, c'est un véritable embryo. Vous savez, Noma a gagné une fois au jugement du fond. Parce qu'en réalité, jusqu'ici, Ahmad se contente de, référer. C'est quoi un référé mm-hmm. Souvent, c'est un juge unique qui vraiment donne une décision provisoire pour dire que, voilà, pour défendre, protéger les intérêts du, du demandeur. Voilà. Mais la question, Nouma a fait appel, RFI a, fait le cas, il disait, Nouma euh, euh, il va faire appel. Donc c'est au fond qu'on va véritablement savoir euh, si Noma a perdu ou bien Hama a gagné. Et l'autre aspect aussi, les deux congrès qui sont déposés au de, ça c'est aussi un autre, un autre règlement administratif de, la, de cette situation. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est une confusion euh, totale. Et au-delà de cet aspect, euh, la situation du leader effectivement, c'est publiquement qu'ils ont dit au congrès de Dosso que ils ont constaté la déchéance du Hamas. Par conséquent, il a été promis personnalité morale du parti. merci. Donc, euh, nous passons donc au deuxième sujet donc, euh, du forum euh, de la presse. Je le disais en début, donc, les trois acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi, Moudi Moussa et Halidou Munkela, interpellés le 15 mars passé, sont définitivement libres depuis mardi. Ils étaient inculpés et placés sous mandat de dépôt pour délit d'organisation d'une manifestation interdite de complicité et d'homicide involontaire, d'incendie involontaire et destruction de biens publics. Cette euh, donc libération fait suite à la sortie médiatique du collectif euh, des avocats de ces acteurs de la société civile dont je vous propose de suivre Maître Efred Mouloul Boudal, membre du dit collectif. Les formalités pour qu'ils soient libres ne sont pas encore terminées, mais ils sont légalement libres. Quelles sont les conditions de leur libération, maître Aucune condition. Vous le savez, nous avons porté à la connaissance euh, de l'opinion un certain nombre des éléments de violation de la loi et en conséquence, euh, nos clients sont euh, libre d'office, je dirais bien d'office, puisque ce n'est pas une liberté provisoire. Quelle est la suite euh, de ce dossier, euh, maître Nous allons aviser ainsi que de droit. Pour le moment, nous sommes, à deux dans le niveau des formalités pour que nos clients soient effectivement libres d'ici demain. Vous venez là donc euh, de suivre euh, Maître Efred Mouloul Boudal, les donc membres euh, du collectif des avocats des acteurs de la société civile. Ces acteurs de la société civile ont été définitivement libérés ce mardi. Hassan Boukara, quels sont les principaux facteurs qui ont joué à la faveur de la libération de ces activistes de la société civile Merci. Je pense qu'on ne peut pas dire euh, plus que l'avocat qui s'est déjà exprimé et qui a expliqué les conditions dans lesquelles ils ont été libérés. Je suis très content pour eux qu'ils puissent recouvrer la liberté au bout de six mois. C'est long, six mois de privation. Euh, surtout vu les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pour des activités militantes. Donc, euh, six mois, pour moi, c'est extrêmement long. J'ai eu l'occasion de les écouter hier, au sorti de de conférences qu'ils ont animées. Ils rappellent leur engagement à poursuivre le combat dans le cadre duquel ils ont été arrêtés, notamment la lutte pour plus de transparence dans la gestion des fonds du ministère de, la Défense. Je pense qu'ils posent aussi la question de l'indépendance de la justice. Apparemment, au vu de tout ce qu'ils ont dit, il y a quand même des choses euh, sur lesquelles ils s'interrogent beaucoup mhm. quant à l'indépendance de la justice dans notre pays. La preuve, euh, mode a été lancé pour des activités euh, à la place euh, euh, au rond-point justice. C'est donc quelque chose quand même de très, très précis, puisque d'habitude les activités se passent devant l'Assemblée. Donc voilà, je pense que c'est des activités militantes dans lesquelles ils ont été pris. on n'a jamais compris clairement pourquoi eux ils sont restés aussi longtemps, puisqu'ils ne sont pas les seuls à être interpellés. Euh, d'autres ont été libérés, il y en a qui n'ont même pas été arrêtés. Donc, euh, du coup, on s'est toujours demandé quelle est la particularité du point de vue du droit qui fait que des personnes prises euh, dans les mêmes affaires puissent connaître des périodes différentes dans les traitements. Donc, pour moi, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui méritent d'être clarifiées dans le sort qu'ils ont vécu. Alors, euh, quelle leçon donc faut-il retenir euh, de l'incarcération et de la libération de ces acteurs de la société civile Je pense qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas nouveau dans ce pays. Hein. Ça fait des années que des personnes sont interpellées pour des activités militantes. Là, c'est dans le cadre euh, de la lutte engagée par la société civile autour de cette affaire de la défense. Je pense que dans en d'autres périodes, d'autres acteurs ont été pris euh, sur des activités militantes. Ils sont restés en prison, puis ils sont restés, ils ont été libérés, euh, liberté provisoire, puis le procès a continué. Je pense que depuis quelques années, c'est quand même quelque chose qu'on vit euh, dans notre pays, que ce soit pour les médias, que ce mhm. soit pour les acteurs de la société civile. C'est des choses qui arrivent maintenant on les fait souvent pour casser, pour porter atteinte au moral des gens qui se battent. Mais euh, là, à l'image euh, de, Michael, à l'image de Mukela, ils rappellent que leur engagement reste intact et ils vont continuer à se battre. Donc je pense que euh, par la répression on ne peut pas empêcher que des personnes qui s'engagent sur des thématiques, sur des questions de droit, mm s'abandonnent puissent abandonner le combat. C'est quand même un combat conscient. C'est-à-dire que euh, les gens qui s'engagent, ils ne s'engagent pas à la légère. Ils savent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ils savent que parfois, ils peuvent subir des conséquences du fait de leur engagement, mais ils s'engagent en connaissant tout cela. Et donc, le fait de garder les personnes en prison, parfois on le fait pour casser un mouvement qui est engagé, mais je n'ai pas l'impression que de cette façon, on peut empêcher à des gens à s'engager sur des questions thématiques. Monsieur Garé. <coughs> Oui, il faut dire que euh, je salue bien sûr la libération de mes amis. Je l'ai dit sur ce plateau la semaine passée. Euh, même si j'aurais souhaité leur libération mhm. vraiment avec euh, tous les honneurs, c'est-à-dire qu'un procès puisse les blanchir. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand même c'est suite à une manifestation interdite mhm. qui a entraîné des morts d'hommes non. oui, enfin, je sais, mais je, vous dis, les... il y a eu hein. trois morts. C'est-à-dire, euh, moi, ce n'est c'est pas que je les accuse. Hein. Je vous, en fait, juste, une précision. le fait que, oui, il y a eu des morts, il y a eu des manifestations, mais c'est seulement lorsque le juge prouve qu'il y a une manifestation. je ne rentre pas dans ces détails-là. Moi, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire une situation qui s'est déroulée n'est-ce pas Puisque c'est la même manifestation pour laquelle ils ont été arrêtés et qu'il y a eu des morts, donc des familles qui sont encore en train de pleurer. Il n'y a pas de gloire pour moi, selon moi, il n'y a pas de gloire à vraiment bomber le torse. Non, il faut être serein. Et la leçon, c'est que ce n'est pas l'activisme qui est en cause, en fait. C'est la manière de mener le combat. C'est-à-dire, c'est quoi la manière de mener le combat Moi, par principe, je suis contre l'interdiction des manifestations. Mais je suis pour que quand une manifestation est interdite, qu'on s'y conforme ou qu'on fasse recours aux voies légales, comme, le font certains, le juge de référé par exemple. Mais le risque, quand on organise une manifestation interdite, c'est qu'on court le risque, s'il y a un débordement, comme ça s'est passé, avec trois morts, moi je ne pourrais pas, moi, si aujourd'hui, je vais vous dire honnêtement, si aujourd'hui j'appelle les gens à sortir pour manifester, pour une raison, pour une quelconque autre, mhm. on me dit non, la manifestation que vous voulez organiser, elle est interdite et que je dise aux gens de sortir. Les gens sortent. C'est pas moi qui ai dit de faire des choses, de faire des casses et des trucs. Mais comme je ne maîtrise pas les gens, les gens vont faire des casses, il y aura des morts. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir ces morts-là sur la conscience. C'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire faire le combat de la société civile. Non, mais attendez, faire le combat de la société civile, faire le combat jusqu'au bout. Mordicus, en défendant ses idées, mais en restant, en restant légaliste, en ne D'accord. Ah, ne rentre pas dans le domaine de l'anarchie. On aussi ça que écouter euh, Suleiman euh, par rapport à cette question. Je, donne la parole à euh, Suleiman. donc, bon, en fait, ce que j'ai bien compris, l'avocat l'a dit, en fait, nous ne sommes pas définitivement libres. En fait, il y a une situation qui s'est créée. À partir de six mois, on n'a pas renouvelé le, mandat qui les maintient en détention. Par conséquent, vous avez bénéficié de libération de fait. Parce qu'en réalité, ils ont franchi le Rubicon, ces gens, à partir de six mois-là, ils étaient illégalement détenus. Mm. Donc euh, maintenant, justement, on pense qu'au niveau de la justice, on attend donc la décision. Qu'est-ce que le juge, euh, donc, qu'est-ce qu'il va dire mm. Euh, donc euh, ça c'est un aspect. Maintenant par rapport aux au faits, euh, justement on se souvient cette décision du Conseil des ministres du, 13 mars 2020 qui a été bravée justement dans le cadre du coronavirus. Le gouvernement avait estimé que voilà. Donc bon, même dans ces conditions aussi, les acteurs de la société civile considèrent que aussi il n'y a pas une interdiction régulière donc d'un point de vue légal qui leur empêche de. Donc, euh, ils n'ont pas en tout cas une notification de cette interdiction. Donc, ça s'est passé, c'est pas la première fois. Je pense que de ce point de vue, je suis d'accord avec Gary. Il va falloir euh, souvent éviter les bras de fer. Euh, je pense qu'il y a une réforme de la justice, ou disons en tout cas une, une façon de faire qui, si ça continue comme ça, parce que c'est au moins la troisième fois que qu'il y a eu des cas comme ça où les gens bravent l'introduction et ils vont, ils vont, ils vont en prison. Donc, vous euh, euh écouter Hassan Oui, ce, que, ce que, je suis en train de dire, c'est que je suis en train, il y a quand même, il y a quand même deux versions. Il y a la version officielle qui consiste à dire vous avez bravé la société civile dit, mhm. nous avons déposé une demande en bonne et due forme et on a ciblé une autorité précise qui a l'habitude, lorsqu'elle interdit, de la même façon que nous la ciblons, elle cible ceux qui ont demandé. La société civile dit, on n'a pas obtenu ça. Et donc la société civile considère que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a rien d'illégal. La partie gouvernementale dit c'est illégal. Et donc c'est seulement un juge qui peut le délier. Et donc pour moi, c'est aller très vite en besogne que de demander rester légaliste. Je pense que les gens restent légalistes. Il y a eu trois morts. Je pense que même les déclarations publiques, en tout cas ce qui a été fait à chaud, après les événements, laisser croire que ces morts n'étaient pas liées à ces personnes-là. J'ai entendu ça sur les médias. Et donc, pour moi, de l'autre, il y a Jusqu'à ce qu'un juge prouve que qu'on a bravé une interdiction, il n'y a pas d'interdiction puisque c'est de cest que c'est vrai que mais, quelques, jours avant la manifestation, on avait vu certains acteurs de la société civile dire que euh, même si même si c'est interdit, ils vont sortir. C'est ça, sur ce comportement, il faut mm. extrêmement faire mm. attention parce que eh, vous allez mettre, jeter des gens en pâture et ça va retomber sur vous. Parce qu'il y a une loi qui dit que mm. quand vous organisez quelque chose qui est interdit, les conséquences, c'est vous qui les, assumez. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je ne dis pas aux acteurs de la société civile, je suis un acteur de la société civile, j'ai fait le combat, n'est-ce pas, à l'époque du Tazarché, et je, et je soutiens leur combat pour la manifestation de la vérité dans, le cadre de l'affaire du ministère de la Défense, même si certains d'entre eux, apparemment, sont en train de soutenir les fournisseurs. Moi, je ne soutiens pas les fournisseurs. Je veux que tout celui qui a fauté dans l'affaire du ministère de la Défense, qu'il puisse payer, parce qu'il y a des Nigériens qui sont morts au front. Mais il faut faire le combat en restant légaliste c'est extrêmement important. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de pays. Nous entamons donc, M. Garé, nous entamons la dernière partie euh, de ce rendez-vous. La République fédérale du Nigeria a annoncé la construction imminente d'une ligne ferroviaire qui reliera l'État de Kano à Maradi au Niger d'un coût global de 1,9 milliard de dollars. Comment donc accueillez-vous cette euh, nouvelle euh, vu que la frontière entre le Nigeria et le Niger reste euh, toujours fermée il y a de cela un an c'est des choses qu'il ne faut pas mélanger. il faut déplorer que Buhari se comporte. dans le cadre de la CDAO. Il a piétiné les principes et règlements vraiment de la communauté, mais c'est autre chose pour l'intégration économique, son acte, euh, en tout cas, constitue un obstacle majeur. Euh, donc, bref, euh, maintenant par rapport à l'initiative, donc en tant que Nigérien, on est très heureux justement de la prendre. sauf que il va la faire jusqu'à donc jusqu'à Maradi. Donc maintenant, le, partir il au Niger donc de, faire la suite parce que l'intérêt c'est aussi ça va permettre donc même aux autres pays. Le Niger bénéficie en tant que voisin du, du Nigeria euh, de, en tout cas de la proximité. Donc, euh, l'avantage euh, de cela. Mais il y a un effort maintenant à faire en ce qui concerne notre pays pour pouvoir relier donc, celui-là avec, connecter avec les autres pays. Oui, mais quels pourraient être donc, les avantages donc, mais Bien sûr, vous avez vu, le président Issou a fait du forcing avec Bolloré pour, parce qu'effectivement, le rail. Mhm le, transport. Aujourd'hui, si les problèmes des, des produits de sont chers euh, dans, notre, pays, c'est parce qu'il y a le, coût du transport qui est intégré. Notre pays est vraiment, euh, euh, en tout cas, son enclavement est réel. Donc, mhm. ce qui fait que le transport coûte cher. Donc, si à l'oreille avec le train, c'est connu, vraiment, c'est moins cher. Donc, on aura tout à notre portée. donc, le premier impact, c'est vraiment au niveau donc, de la vie chère on va sentir en tout cas l'impact euh, et aussi avoir beaucoup d'opportunités de business. À Boukar je pense que <clears throat> c'est quelque chose d'important. Euh, évidemment, si c'est un projet de chemin de fer, ça va, ça va prendre du temps à se réaliser. Mm. C'est hors la fermeture, j'imagine. Je continue à croire, même si c'est resté, la frontière est restée encore fermée longtemps. Mm. C'est quelque chose de conjoncturel, ça finira par, par s'ouvrir, sauf si le Nigeria quitte, décide de quitter la CDAO, donc ils finiront par ouvrir. Maintenant, euh, un chemin de fer, c'est extrêmement important, surtout pour un pays comme le nôtre qui n'a pas accès à la mer. C'est une voie de transport privilégiée qui facilite les échanges, mais surtout quand ça vient du Nigeria, c'est tout un symbole. Mm-hmm. Je pense que euh, le Niger euh, n'a pas un voisin plus important que le Nigeria le Nigeria, c'est la première puissance économique euh, en Afrique de l'Ouest, je pense que nous avons tout à gagner. Aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment développé les relations. Mm-hmm. Pour les communautés, tous les matins le long de la frontière, il y a les va-et-vient, les rapports sont beaucoup plus intenses au sein de la communauté. Mais l'intégration institutionnelle, on ne l'a pas beaucoup réussi parce que simplement nous sommes un pays euh, ancienne colonie française, le Nigeria ancienne colonie anglaise, et notre position a toujours été perçue comme une menace à côté de ces géants anglophones. Si le Niger et le Nigeria peuvent se mettre ensemble, développer davantage les relations institutionnelles, développer l'économie. À mon avis, ce serait vraiment dans l'intérêt du Niger. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive à le faire. Hein. Il y a beaucoup de projets comme ça qui n'ont jamais abouti. Et donc, il faut Monsieur absolument faut-il rester serein ou avoir euh, des doutes euh, sur l'aboutissement de ce projet quand on sait que tous les projets de chemin de fer qui devraient relier le Niger à la mer n'ont jamais abouti à ce jour oui, nous avons abouti. Euh, je suis, je suis optimiste pour ce qui concerne le tronçon du Nigeria. Mais vous savez, depuis que le Nigeria a fait cette annonce-là, on s'attend à ce que les autorités nigériennes fassent une annonce pour dire que. Parce que le Nigeria a dit attention, mhm. c'est pas ce que vous avez entendu, la première version là. Parce que les gens ont cru comprendre que non, non, le Nigeria va construire le chemin de fer jusqu'à jusqu'à Maradi. Ah non, ils ont dit non, non, on s'arrête à la frontière et le Niger construit son tronçon. Mais depuis que le Niger a fait cette annonce-là, on aurait voulu que le ministère des Transports sorte pour venir nous expliquer que voilà, vous avez entendu ce projet-là, effectivement, il y a eu des conventions qui ont été signées, et voilà notre part, et notre, normalement le projet va commencer à telle date, pour que les gens soient... Parce que pour le moment, la seule certitude, ce qu'on a, ce c'est que le Niger va construire un chemin de fer qui va s'arrêter à la frontière. Pour le Niger, on ne sait rien. Alors, il il faut communiquer, il faut sortir, il faut nous expliquer. Moi, j'ai cherché à avoir des contacts au niveau du ministère des Transports. Euh, on m'a promis des contacts, n'est-ce pas Je ne les ai pas eus finalement. Je cherchais justement à approfondir ce sujet-là pour comprendre la contrepartie du Niger, là, en quoi est-ce qu'il va se matérialiser. J'espère que dans les prochains jours, j'aurai ces, informations-là, mais il faut qu'on sorte pour nous expliquer parce que, en tout cas, pour ceux qui sont de la population de Maradi, elle accueille avec joie, avec ferveur cette nouvelle-là. Mm-hmm. Mais il faut que le Niger puisse montrer aussi la même détermination pour que le jour où le Nigeria va arriver, même si ce n'est pas le même timing, en tout cas rapidement, que le tronçon nigérien puisse rejoindre celui du Nigeria pour que ça forme. Euh, le chemin de fer. Merci, M. Garé. Nous sommes au terme euh, du forum de la paix euh, de ce vendredi 2 octobre 2020. Nous étions en compagnie de nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la Radio Alternative. Merci Hassan d'être euh, parmi nous. Monsieur Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, merci à euh, Monsieur Garé d'avoir répondu à notre invitation. Et El Hajj euh, Suleiman Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter, merci El Haj Mahamadou. À la présentation, Fatih Zakari. La réalisation, Mustafa Ayouba. À la technique, Seini Isaka. Je vous rappelle que vous pouvez suivre sur les 45 radios partenaires du studio Kalongou. le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivies de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, le forum en Hausa samedi sur l'insécurité résiduelle à Dosso. Et le dimanche, le forum en Germa sur le thème Comment assurer l'égalité de chance aux femmes aux différentes échéances électorales. Merci donc à tous nos invités et à la prochaine.